forum du studio le forum forum forum forum Mesdames, bonsoir. Il est 18h passé de 15 minutes. Merci d'être à l'écoute du studio Kalangou. Bienvenue au forum du studio Kalangou au micro Nafis Adamou Sirfo. Le forum du studio Kalangou est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel il reçoit des spécialistes, des personnes bien indiquées pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Si vous nous écoutez en ce moment, c'est grâce au réseau des 20 radios partenaires basés dans tous les chefs-lieux des régions du Niger et dans les localités d'Arlit, de Chirozérine, de Meinesorwa, de Magaria, Tamaské, Bouza, Filengue, Birningaure, Dolbel et Saï. Chers auditeurs, ce soir, notre thématique est intitulée Le travail des enfants, quel impact sur leur santé physique, morale et psychique. Dans un rapport de 2016 de l'UNICEF sur la situation des enfants dans le monde, il est dit que chaque enfant naît avec le même droit inéaléable à bénéficier d'un bon départ de la vie, d'une bonne santé, d'une éducation et d'une enfance saine et protégée. Toutes ces opportunités de base se traduisant par une vie adulte productive et prospère. Mais dans le monde entier, des millions d'enfants voient leurs droits bafoués et sont privés du minimum nécessaire pour grandir en bonne santé à raison de leur lieu de naissance, de leur race, de leur sexe, de leur origine ethnique ou familiale ou parce qu'ils vivent dans la pauvreté ou avec un handicap. Le travail des enfants est un des principaux obstacles à leur éducation. Selon toujours l'Organisation internationale du travail OIT dans le monde, un enfant sur dix travaille et plus de la moitié d'entre eux seraient victimes des pires formes de travail qu'il s'agisse de l'esclavage, de l'utilisation dans les conflits armés, de prostitution, le tri des déchets, le trafic des stupéfiants, le travail dans les mines, etc. Ici au Niger, le constat est le même, avec une population estimée à plus de 17 millions. Selon le recensement général de la population, la structure par sexe et par âge de la population a révélé une extrême l'extrême jeunesse de la population avec un âge moyen de 20 ans et un âge moyen de 15 ans, ce qui signifie que la moitié de la population a 15 ans ou moins. Dans un premier temps, nous verrons ce que c'est que le travail des enfants, les causes qui amènent ces enfants à cette pratique. Nous découvrirons les conséquences sur la santé morale psychique physique et psychologique sur l'enfant. Ensuite, nous prendrons du contenu de la loi sur ce qu'elle dit du travail des enfants. Enfin, nous parlerons des actions menées par les associations de lutte contre cette pratique néfaste ici au Niger. Et pour parler de ce, du vaste de ce sujet de préoccupation, nous avons dans ce studio trois invités. Il s'agit de M. Ousmane Amadou, il est directeur général de la protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir DG. Bonsoir. Nous recevons également M. Mohamedou Moussa, il est coordinateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants au Niger Alten. Bonsoir, président Mohamedou. Bonsoir. Nous recevons enfin M. Binia Liman. Il est inspecteur général des services au ministère de l'Emploi. Bonsoir, inspecteur. Et bonsoir. Merci d'être venu. Je le disais plus haut, selon l'Organisation internationale du travail à OIT, dans le monde, un enfant sur dix travaille. Plus la moitié d'entre eux seraient victimes de pires formes de travail, qu'il s'agisse de l'esclavage, de l'utilisation dans les conflits armés, de la prostitution, du tri des déchets, des trafics de stupéfiants, du travail dans les mines souterraines, pour ne citer que cela. Notre première question ici est de savoir ce que c'est que le travail des enfants. Monsieur Ousmane, quelle définition peut-on donner euh, au travail des enfants Comment se traduit-il La définition du travail des enfants doit se situer dans un cadre bien précis. Parce que pour les économistes, quand on parle de travail, le travail, c'est toute activité qui procure, qui permet à l'individu de se procurer un revenu monétaire. Mais pour le cas des enfants, ils sont associés au travail mais en réalité, le problème, c'est qu'ils ne profitent pas du revenu de ce travail. C'est ceux qui les font participer au travail qui tirent profit de ce revenu. C'est pour cela qu'on parle de travail des enfants. C'est de l'exploitation économique, en fait, de ces enfants avant l'âge requis. Mm. Parce qu'il y a un âge pour travailler. Mm. Il y a un âge pour l'enfance avant 18 ans. On considère qu'avant 18 ans, lorsque l'enfant est associé ou est mis à contribution de la production, on considère que l'enfant se trouve dans une situation de travail d'enfant. Parce qu'avant cet âge, sa place n'est pas sur les activités de production, mm. sa place doit être à l'école, mm. où il doit apprendre à préparer son avenir. Donc, si on comprend, avant 18 ans, l'enfant n'est pas, il n'est pas permis euh, de soumettre un enfant à un travail pénible. En tout cas, selon les textes, mm. avant 18 ans, l'enfant ne doit pas être soumis au, travail. Mais cet âge-là a créé tellement de problèmes, de polémiques au niveau même de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et les pays en développement et les pays du tiers-monde, cela a créé des difficultés. Il y a eu des difficultés pour trouver un compromis. Les pays en développement, comme les nôtres, ils sont dit que dire avant 18 ans l'enfant ne doit pas travailler dans nos sociétés, c'est un peu difficile. Oui, nous allons, allons venir à cette question des pays en développement. Euh, mais donc il y a un âge légal qui. il y a un âge légal. Avant 18 ans, normalement, l'enfant ne doit pas être soumis au travail. Bon, on est ramené ça jusqu'à 15 ans. Après, avec les négociations, on est revenu jusqu'à 15 ans. À mhm. partir de 15 ans, on considère en tout cas que 15 ans est considéré comme l'âge minimum. Mais normalement, nous, la définition de l'enfant c'est jusqu'à avant 18 ans. Mhm. Mais l'âge au travail, là, on considère que c'est 15 ans. Mhm. À partir de 15 ans, on peut considérer que l'enfant peut travailler. Compte tenu de la spécificité des pays en développement, on était obligé de revenir à 15 ans. Et même ça, il y a quand même des, nous allons revenir là-dessus. Je me retourne vers M. Mahmoud Moussa. Vous êtes coordinateur euh, de l'association euh, pour la lutte contre le travail des enfants Alten. Vous qui touchez du doigt euh, la situation qui se passe, dites-nous quelles sont les différentes formes de travail auxquelles sont soumis les enfants, ici au Niger précisément. Bon, au sens de nos activités, nous nous basons toujours sur la Convention 182 qui a été mm. adoptée en 1999 par la Conférence internationale du travail pour situer exactement ce qu'on appelle le travail des enfants. Et également la Convention 538 euh, de l'OIT qui détermine un peu, euh, si vous voulez, l'âge minimum d'accès à l'emploi. Le docteur vient d'en parler. Mm. À ce sens-là, il faut comprendre que euh, les pire forme du travail des enfants, parce que le terme travail d'enfant doit s'accompagner de l'expression les pires formes du travail des enfants mhm. pour que ça soit mieux compris dans notre communauté, dans mhm. notre société. Parce que le travail en lui seul, du point de vue de la société, à partir du moment où l'enfant n'a pas une occupation, il n'y a aucun crime qu'il soit intégré dans l'économie, qu'il fasse quelque chose qui est positif. Mhm. Même si à certains angles de vision, ça peut paraître comme dangereux, ça peut paraître comme euh, compromettant, euh, comme compliqué en tout cas pour lui. Mais du point de vue de cette Convention 182, les quatre points qui ont été retenus sont clairs. C'est les situations d'esclavage, il en a parlé tout à l'heure, mhm. c'est les conflits armés, c'est la prostitution et c'est également tout ce qui est euh, interdit par la loi. Donc, euh, nous, notre base de travail aujourd'hui en tant qu'acteur de la lutte contre le travail des enfants, mhm. c'est de faire en sorte que les enfants Nigeria en particulier, ne soit pas soumis dans ces conditions qui sont énumérées par la Convention 182. Il y a d'autres conventions qui ont parlé du bien-être des enfants, et tout ça. Mhm. Mais la Convention, pour conclure, pour la Convention 138, qui est d'ailleurs reprise dans le Code du travail, certainement l'inspecteur va vous en parler, mhm. parle de 14 ans au Niger. 14 mhm. ans, c'est l'âge à partir duquel l'enfant peut être admis sur un lieu de travail, mais sous encadrement, qui euh, les textes définissent Mm. effectivement dans quelle situation on ne doit pas le mettre, à quelle heure on ne doit pas le faire travailler, dans quelles conditions on ne doit pas travailler. alors Monsieur Binia, vous êtes inspecteur euh, de travail. Est-ce que vous aurez une estimation euh, des enfants qui sont confrontés à ce problème ici au Niger C'est difficile pour mm. moi de vous dire maintenant mm-hmm. quelle est la situation. En fait, ce n'est pas euh, la situation du travail des enfants, ce n'est pas euh, quelque chose qui sort, comme par exemple pour les adultes, mm-hmm. où vous avez des entreprises qui utilisent les travailleurs, ils ont des statistiques, mm-hmm. où donc quand vous vous présentez, vous aurez euh, une situation exacte. Mm-hmm. Pour les, les enfants, c'est en partant sur ces critères, laquelle mes, deux euh, prédécesseurs l'avaient de dire, c'est en se basant sur ces conditions-là qu'on peut voir, et c'est la base des enquêtes. Et ces enquêtes-là, les, structures qu'on avait euh, généralement, c'est au niveau des enquêtes nationales, c'est des questions mm. qu'on pose aux enfants qui sont qu'on rencontre, mm-hmm. euh, soit dans les rues, soit aux avoirs des services, pour, pour demander quelle est leur situation. Donc, cette situation-là, je ne peux pas vous dire. Mais il y a une enquête qui a été faite, mm-hmm. une enquête en 2009. Qu'est-ce qu'elle a donné, cette enquête je ne saurais vous dire exactement euh, euh, qu'est-ce que ça donné parce que je n'ai pas les résultats mhm. euh, avec moi. Je ne savais pas que c'est. Pour revenir un peu sur la question de l'âge requis pour, pour soumettre un enfant, quel est l'âge légal ici au Niger précisément Oui, en fait, comme vient de dire M. DG Mahmoud Moussa, l'enfant, c'est tout individu qui a, qui a moins de 18 ans. Mhm. Donc, à moins de 18 ans, on ne doit pas euh, euh, utiliser un enfant dans une entreprise, que ce soit, euh, euh que soit l'étude d'entreprise. Mhm. Maintenant, si un enfant a moins de 14 ans, ça, l'interdiction est absolue. Moins de 14 ans, même comme apprenti, on ne doit pas l'utiliser. Mhm. C'est une interdiction absolue. Maintenant, entre la tranche de 14 à 18 ans, ils peuvent être utilisés sous certaines conditions. Le Code a donné euh, toute une panoplie, par exemple, mm-hmm. euh, à, la durée du travail, à la charge qu'il doit supporter, mm. et, nombre, de, nombre de kilos qu'il peut transporter, tout ça, et, même le salaire. Mm-hmm. Donc, cette tranche-là, on dit que c'est des, aménagements que euh, le Code du travail a apportés. Puisque, bon, compte tenu de, notre situation de, de sous-développement, euh, un enfant, euh, à partir de 14 ans, 14, 16, 15, 16, il peut, en tout cas, sous certains contrôles, euh, être utilisé, mais pas dans n'importe quelle entreprise. Voilà, donc c'est un peu ça. Et l'inspecteur du travail a, été, eu cette mission-là de vérifier, par exemple, au niveau d'une entreprise, s'il y a un enfant qui travaille, il doit connaître son âge. Mhm et voir les conditions dans lesquelles il est utilisé. Si c'est un enfant qui a moins de 14 ans, là, c'est l'interdiction absolue, il ne doit pas être dans l'entreprise. Mm. Maintenant, s'il si a entre 14 et 18 ans, il va analyser son poste de travail, voir quelles sont euh, les astreintes qu'il est en train de, de, Est-ce que vous pensez qu'ici au Niger, il y a des régions qui sont plus touchées que les autres par ce fléau bon, Vous savez, généralement, le travail des enfants se situe au niveau du secteur informel cest des secteurs qui ne sont pas réglementés en tant que tels, mhm. puisque, bon, euh, euh, il n'y a pas de présence de, la loi, mhm. et euh, c'est pour ça que le caractère de l'informalité est mhm. donné à ces secteurs-là. Donc, vous avez ça dans les, dans les exploitations artisanales de, de l'or. Vous avez, vous, parce qu'il y a d'autres études qui ont montré que même les travailleurs, il y, a des enfants qui conduisent les animaux. Mhm. Oui, je reviens vers vous, Monsieur Ousmane DG. Ceci nous amène à nous demander quelles sont ou seraient eh, les vraies causes du travail des enfants. Qu'est-ce qui amène, qu'est-ce qui amène ces enfants à, faire ce travail forcé Les causes euh, pour lesquelles les enfants se trouvent en situation de travail sont multiples. Mhm. Dans notre, si je prends l'exemple du contexte de la société nigérienne, la cause principale, en tout cas, c'est la pauvreté, la cause principale. Pourquoi, Parce que nous avons au Niger des ménages ou des familles de taille nombreuse. Et souvent, le chef du ménage, à lui seul, il a des difficultés à faire face à ses responsabilités du chef du ménage. Si bien que il est obligé de faire participer tous les membres du ménage qui ont un certain âge. Mm. On n'attend pas bien sûr l'âge qui, qui est là à travers les conventions. Dès qu'on voit que l'enfant, en tout cas, peut être utile, on le met à contribution dans la mobilisation des ressources du ménage. Mhm. Donc ça, c'est vraiment lié à la pauvreté. Et l'autre élément, c'est le caractère même de notre économie. Mhm. Nous avons une société à économie traditionnelle. Et dans cette économie traditionnelle, chacun ne compte que sur sa force de travail, c'est sa, sa main-d'œuvre familiale. Ce sont ses enfants. Donc, pour accroître sa production et son revenu, chacun met à contribution et les adultes et les enfants. Mhm. Compte tenu de ce que j'ai dit, la situation démographique, le, la mentalité pronataliste, donc des gens. Mhm. On fait beaucoup d'enfants dans l'espoir que ces enfants-là, on va les utiliser dans la production. Mhm. C'est la seule garantie en termes de main-d'œuvre. Dès que l'enfant commence à avoir un certain âge, en tout cas, on n'attend pas les 15 ans. À partir de nous, là, là où on est, à partir de 7 ans, 8 ans, on était au champ. Ça, c'est clair. Donc, on fait contribuer les enfants petit à petit. Et ce travail-là, il faut faire une nuance entre le travail des enfants aussi et non seulement il y a deux, deux objectifs ici qu'on vise à travers l'utilisation des enfants. Il y a l'aspect socialisation mhm. et l'aspect même contribution aux ressources de la famille. Parce que l'enfant, on n'attend pas qu'il ait 14 ans ou 15 ans pour lui apprendre ses responsabilités futures. Mhm. Il est appelé à être un homme, un adulte, donc on dit qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Donc quand on veut préparer l'enfant, on doit le préparer dès le bas âge. Mhm. C'est pour cela qu'on apprend aux enfants, mais seulement, souvent s'il y a des dérives, ça sort du cadre souvent de la socialisation pour aller vers l'exploitation. C'est ça qui est condamné, comme il l'a dit à travers les conventions internationales. Alors, je reviens vers vous, Monsieur Mahamadou Moussa. Euh, plus haut, vous avez parlé des différentes euh, pires formes de travail auxquelles sont soumis les enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait une exception, un travail auquel l'enfant peut être soumis sans que euh, ça ne compromette son développement, sa, santé, tout ça Vous savez, a priori, hein, nous, dans nos analyses, c'est que l'éducation, Mhm. est euh, la première mission que la communauté doit assurer à un enfant. Et à partir du moment où cette éducation est assurée, et à partir du moment où l'enfant est soustrait de ces quatre conditions, mhm. il n'y a vraiment pas de problème à faire travailler un enfant. Vous avez vu que même le Code du travail s'est arrangé pour qu'à partir de 14 ans, mhm. il donne la possibilité à un enfant d'être sur un chantier, de travailler. Donc il n'y a pas de raison que, dans le cadre de la socialisation, monsieur le directeur vient de l'annoncer, qu'un père de famille ou qu'une mère de famille travaille avec son fils de 7 ans, de 8 ans. L'essentiel est que il soit exclu de cette euh, chaîne problématique des quatre euh, éléments annoncés dans la Convention 182 mm. et qu'il soit à l'école. Mm. C'est vrai, c'est ça notre souci. Mais dans une situation où il y a une moins-faisance, permettez-moi ce terme, mm. de la famille, de l'État, eh bien, la conjugaison de ces problèmes-là nous amène à ce que nous sommes en train de vivre. En quelque sorte, une fuite de responsabilité Pas forcément une fuite, c'est une incapacité de faire face à une situation les, parents sont assez responsables. L'État lui-même, il se soucie des problèmes, il les pose de manière responsable, de la manière très analytique. Mhm. Mais c'est pour faire, pour agir que le problème se pose. Mhm. Et même le cas de la pauvreté dont il avait fait euh, cas tout à l'heure, euh, des analystes disent que la pauvreté elle seule ne suffit pas, il y a une sorte, de concept de pauvreté plus. Mhm. Non seulement on est pauvre, mais à cette pauvreté venir s'ajouter autre chose. C'est quoi cette autre chose-là C'est toute cette criarde d'ignorance, de, d'ignorance, du contexte social, du contexte économique, qui peuvent favoriser qu'un enfant qui a moins de 12 ans parfois se retrouve en train de travailler, dans des conditions difficiles. Alors, euh, Monsieur Binia, euh, un autre aspect de ce problème, c'est que dans les pays développés et ceux en développement, on n'a pas la même perception des choses. Certains pensent que faire ce travail, euh, faire travailler un enfant est une forme de socialisation. D'autres pensent le contraire. Quelle analyse pouvez-vous faire ici c'est vrai, parce que euh, les avis divergent selon qu'on soit dans, un pays développé ou euh, dans un pays en développement. La situation, c'est que ceux qui sont dans les pays développés, ils sont à un stade où euh, il n'y a pas cette pauvreté qui va amener un père de famille à, mettre son enfant dans cette, dans cette situation. Or, nous, euh, en Afrique, particulièrement euh, dans les pays euh, sous-développés, on est contraint de le faire. Nous sommes contraints de le faire parce que tout simplement, il n'y a pas d'autres, pas d'autres atouts. Il n'y a pas d'autres atouts. Quand économiquement vous n'avez, vous n'avez rien, alors la seule force que vous avez, c'est la force physique. Or, la force physique de père de famille seul ne suffit pas, alors il doit avoir autour, de lui qui peut contribuer. et c'est ça qui amène, euh, dans les pays en développement, c'est ça qui fait que la situation qu'on emploie des, enfants mhm. à un âge qui n'est pas euh, requis. Alors, vous, selon vous, M. Ousmane, qu'est-ce qui fait que ce fléau touche les enfants euh, des pays en développement Ce fléau touche beaucoup plus les pays en développement compte tenu de leur spécificité, comme on l'a dit tout à l'heure, l'inspecteur vient le dire, la situation économique, et je l'ai dit moi-même tout à l'heure, mm. la situation économique de ces pays-là, le niveau de développement de ces pays-là, c'est ça qui explique cela. On n'a pas encore atteint un niveau de développement où on peut s'en passer du travail des enfants. Dans les sociétés en développées d'aujourd'hui, elles aussi, à un niveau de leur développement, ils ont fait participer les enfants. Autant des enfants ouvriers au mm. début de l'ère de l'industrialisation. Mm. Les enfants étaient utilisés dans les industries avec leur papa. Mais c'est le niveau de développement qui a amené cela. Ils ont atteint à un moment donné de leur histoire un niveau de développement où l'enfant était protégé. L'enfant n'est plus considéré comme une main-d'œuvre familiale. Et au contraire, c'est même une charge. Mhm. Mhm. C'est parce qu'il a des droits aussi, des, associations sont apparues pour les protéger. Et c'est ça qui va nous amener vers toutes ces conventions de, des Nations Unies ou de l'OIT mhm. en termes de protection de l'enfant. Monsieur Mahamadou, quelle analyse vous pouvez faire sur, cette question Bon, je peux dire que c'est un peu euh, l'offre, l'offre sociale, l'offre économique, basée aussi sur euh, les capacités de l'État à intervenir. Dans certains pays, un enfant, quand il naît, il appartient à l'État. C'est l'État le premier garant de sa vie, qui lui fait son, ses papiers de naissance, qui assure son accompagnement et qui va donner la famille pour savoir exactement ce que l'enfant fait. Mm-hmm. Tant que ses offres sociales, ses offres économiques sont en, réduction, tant que l'État est dans une situation de moins-faisance, permettez-moi ce terme, mm-hmm. l'enfant va vivre des difficultés. Et malheureusement, c'est à notre corps défendant que nous voyons des enfants d'un certain âge qui ne sont pas à l'école, des enfants d'un certain âge qui sont utilisés dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Euh, gageons que euh, la situation, ou en tout cas l'ensemble de ces offres-là, se reconfigure de manière à prendre mieux, mieux prendre en compte la vie de l'enfant pour l'encadrer, pour qu'il mm. aille à l'école, pour qu'il soit dans une famille saine, pour que euh, au niveau de l'économie, son père puisse trouver de quoi lui assurer, ou son père ou sa mère, mm-hmm. de quoi assurer quand même ses journées c'est toujours la famille. Mais l'État est le premier garant mhm. de la surveillance, de l'accompagnement de l'enfant. La famille qui lui assure une euh, mauvaise alimentation, c'est l'État qui est censé venir dire que ça, ce que vous faites, c'est pas bon. C'est la famille, c'est l'État qui doit dire là où vous logez l'enfant, c'est dangereux pour lui. Mhm. C'est l'État qui doit assurer un certain nombre de prestations qui font que l'enfant est bien encadré. La famille doit trouver cet environnement-là. Sinon, les gens en abusent. Sinon, les gens sont défaillants de, de nature. Un être humain, quand on le laisse faire ce qu'il veut, eh bien, Vous avez vu des cas où des cas d'inceste. Mhm. Tout ça, c'est parce que les situations, les conditions d'hébergement ou les conditions d'entretien des enfants sont en, faillite. On le sait, la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, ratifiée par 192 pays, oblige ces États à protéger les enfants contre toute forme de travail. Alors, Monsieur Bignard, vous qui êtes inspecteur, dites-nous, est-ce qu'ici au Niger, le travail des enfants est réglementé est-ce qu'il euh, y a des sections qui sont euh, prévues pour tout celui qui soumet un enfant à un travail euh, qui nuit à sa santé euh, Bien sûr, il y a, des sanctions. La mhm. Convention 182 a prévu des sanctions. Et le Code du travail, puisque la Convention 138 sur l'âge minimum d'accès à l'emploi, la Convention 182 sur les pires formes de travail des enfants ont été transposées mhm. dans le Code du travail. Donc, tout ce que je venais de dire, la limitation de, de, de travail, là, la limitation de l'âge à 18 ans, la possibilité de donner, d'employer des enfants euh, sous une forme aménagée de 14 ans à 18 ans. Ça, c'est des dispositions du Code du travail qui ont prévu ça. en cas de, de, violation de ces dispositions, l'inspecteur du travail est là pour contrôler mm-hmm. et sanctionner en même temps. Mm-hmm. Je dis sanctionner puisque la loi a prévu des, sanctions, et, euh, des, peines. Quelles sont ces sanctions-là il, y a des peines de prison et puis des amendes. Mais euh, d'abord, parce que vous savez, le droit de travail en c'est un droit euh, social. Il faudrait d'abord amener la personne qui a, qui a violé ce, texte-là, il faut l'amener à lui faire comprendre. Mm-hmm. Et, pourquoi on ne doit pas faire ça Parce qu'on ne veut pas aller le sensibiliser, on ne veut pas aller directement, à la sanction on, préfère toujours sensibiliser la personne, mm-hmm. lui dire bon voilà ce qu'elle fait, ce n'est pas bon. Si elle le fait, si elle continue, mm-hmm. elle, encourt telle ou telle ou telle sanction. Mm-hmm. Mais il y a des sanctions pénales, on peut aller en prison, et il y a des sanctions pécuniaires. Oui, effectivement, parlez-nous plus précisément de ces sanctions et de, ces amendes. L'essentiel, hein, pour moi, <laughs> ce n'est pas de dire euh, c'est qui est sûr que le les, les contrevenants des sanctions, des sanctions euh, pénales, quelle que soit la gravité. Dans tous les cas, le, travail des enfants, celui qui utilise euh, les enfants euh, est sanctionné s'il viole donc ces dispositions-là, il est sanctionné. Et ça peut être des sanctions, ça peut être la prison, et ça peut être aussi des, sanctions pécuniaires. Mm-hmm. Bon, je ne suis pas allé jusqu'à vous dire, bon, c'est combien la, la personne doit, doit, doit, combien doit payer, mm-hmm. la manne. Oui, c'est au, cas. cas Il y a, des exemples que... vous pouvez donner bon, Des exemples, euh, je ne peux vous donner d'exemple parce que c'est en fait l'inspecteur. L'inspecteur fait un constat. Mm-hmm. Il fait ce constat. Ce n'est pas lui-même qui sanctionne. Il fait un constat il adresse ce constat-là, un procès verbal de constat d'infraction au juge. Et c'est le juge maintenant, c'est à lui d'appliquer euh, cette peine. Il peut n'est pas poursuivre, mm-hmm. puisque de la même manière qu'au niveau de l'inspecteur, il faut sensibiliser, il faut amener euh, l'employeur à, comprendre qu'il ne doit plus faire ça. De la même manière, ça se est fait que, Est-ce que vous avez déjà eu à enregistrer des, des cas ici au Niger vous avez eu à sanctionner des gens. On a eu à sanctionner des gens sur cette situation. par rapport au travail des enfants, il n'y a pas eu de, sanctions. Par rapport à l'esclavage, ça, je sais qu'il y a eu de, l'esclavage des enfants. Mhm. Là, il y a eu des, sanctions au niveau. Euh, même ça, c'est à l'intérieur du pays, de la région de Zander, euh, Agadez, je crois. Donc il y a eu des, sanctions comme ça. pas Donc si on peut comprendre, les régions d'Agadez ou bien euh, de Maradi, c'est dans ces régions que ce travail des enfants est le plus fréquent euh, Pas du tout, pas mhm. du tout. Le travail des enfants, euh, c'est dans la région d'exploitation des régions orifères, mhm. à Koma Bangou, à Mbenga. C'est là-bas où il y a vraiment, vous allez trouver une panoplie de, des enfants qui, mhm. sont, qui sont en train de travailler. Mais en fait L'important, ce n'est pas la sanction. Mhm. Non, il faut amener, il faut sensibiliser la personne, il faut sensibiliser les parents pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas, la place de son enfant là, ce n'est pas avec lui, mhm. c'est à l'école. Pour, l'amener à se, prendre à la, à, se prendre en charge, peut-être qu'il va encore se venir lui-même aux besoins des de parents. Donc c'est vraiment ça, ce n'est pas la sanction en tant que telle qui... justement, Monsieur Ousmane, nous savons que les répercussions du travail sur l'enfant sont nombreuses. Alors selon vous, comment donc le travail impacte sur, l'enfant avant de venir euh, sur l'impact du travail, permettez-moi de revenir sur ce que M. l'inspecteur a, dit mhm. par rapport à, euh, En fait, la difficulté, comme il l'a dit, c'est pas ce qui l'important, c'est pas la sanction, mhm. c'est la prévention, la sensibilisation pour prévenir. Et la difficulté, comme il l'a dit, c'est difficile même. Tellement que le travail des enfants se manifeste dans un cadre informel. Quand on descend, descend dans notre société, dans presque toutes les familles, on trouve ce travail des enfants. Mais comment le découvrir même Mais on sait que c'est un phénomène parce que souvent on voit les enfants. Mais c'est tellement euh, informel qu'il est souvent difficile. Le seul cadre où on peut sanctionner peut-être, c'est dans le cas formel des entreprises, comme elle l'a dit au mhm. début. Mhm. Là où on a des travailleurs qui sont là, et dans les textes, selon les conventions, c'est à partir de 15 ans. Quand vous employez quelqu'un avant 15 ans, si on descend encore au Niger jusqu'à 14 ans, là, on sait que vous êtes en flagrant délit de violation. Là, on mhm. peut sanctionner. Mais si ce n'est pas dans ce cas, la majorité des cas de travail des enfants se trouvent dans l'informel, ce qui est difficile même de, à dénicher. Donc, pour revenir maintenant à votre question sur l'impact. L'impact euh, sur du travail des enfants, sur leur vie de manière générale, c'est de un, d'abord comme on l'a soulevé, l'un des premiers impacts, c'est sur l'avenir même de l'enfant. Parce que comme il l'a dit tout à l'heure, la place de l'enfant à cet âge-là, ou avant 18 euh, ans, nous nous estimons, nous partons jusqu'à 18 ans, parce que l'enfant doit être à l'école. Sa place, n'est pas sur les chantiers. Sa place, n'est pas sur les lieux d'apprentissage. L'apprentissage, oui, mais l'apprentissage à l'école. Il doit être à l'école. C'est là où son avenir va être mieux préparé. Et même la contribution de les parents mhm. cherchent. cherche. C'est en ce moment-là, si on lui permet d'aller à l'école, de rester longtemps, que sa contribution sera encore plus importante quand il va sortir avec son diplôme. Mhm. Mais le problème, comme on l'a dit, c'est la pauvreté qui fait que les parents, souvent eux-mêmes, ils sont conscients que l'enfant doit aller à Ils voient les impacts avec les parents qui sont, dont les enfants ont réussi. Mais souvent, on est dans une situation, comme on l'a dit, de contrainte. On est obligé aussi de soustraire l'enfant pour le laisser. Mais le, mieux, vraiment, c'est la sensibilisation pour amener. Mhm. L'autre impact, c'est l'impact sur la santé physique, mhm. mentale, morale et psychologique même de l'enfant. Mhm. Lorsque l'enfant exerce des métiers qui dépassent sa capacité physique, ou ses capacités physiques. Là, il y a un problème. On demande souvent aux enfants de supporter ou de soulever des, ces charges qui dépassent leur capacité. Mm. Et vous avez, c'est pas rare de voir des enfants qui ont des courbatures. Mm. C'est parce que dès le bas âge, on leur apprend à supporter des charges dont ils n'ont pas la capacité physique de faire. Mm. Et ça déforme leur physique, ça a un impact. De ce qu'elles sont là, elles grandissent avec. Mm-hmm. Et l'autre euh, l'autre euh, impact, c'est la brutalité. Souvent, les enfants sont violentés mm-hmm. dans le cadre du travail. Si mm-hmm. l'enfant manifeste un signe de refus, on le brutalise, on les traumatise. Et mhm. donc, vraiment, ça crée. Et c'est ça qui amène souvent certains parents, enfants, à quitter même le domicile familial pour se retrouver dans la rue, mhm. jusqu'à rompre avec la famille, parce que toujours on leur fait pression. Et donc, euh, ce qui fait que, de manière générale, l'impact, c'est sur le bien-être même des enfants. Ça affecte leur bien-être de manière générale. Alors, Monsieur Mahamadou, euh, vous qui êtes coordinateur d'une ONG qui lutte contre euh, cette, pratique, vous qui rencontrez généralement les enfants qui subissent, vous rencontrez généralement des enfants qui subissent cette pratique, c'est ça alors, on sait qu'un enfant qui est privé de protection contre les conflits, les violences ou abus, le travail des enfants, euh, il peut être marqué à vie, il peut conserver de graves séquelles sur les plans physiques et émotionnels. Alors, dites-nous comment se manifestent ces privations sur l'enfant concrètement. Bon, vous savez, c'est un énoncé de supposition. On n'a pas clairement des études aujourd'hui au Niger qui nous ont démontré que euh, un tel enfant qui à 10 ans a été battu, voilà c'est mm. ce que ça produit. Mais on a quand même un faisceau de suppositions mm-hmm. qui peuvent être imputées à des situations vécues par l'enfant à un certain âge, que ce soit en termes physiques, sur euh, les ports de certaines charges, sur euh, certains travaux de nuit ou de certaines situations. Et pour ce qui est de la prostitution, par exemple, c'est l'exception. Mm. Euh, vous savez clairement ce que ça peut donner. Mm-hmm. non seulement il y a ces grossesses indésirées, il y a aussi ces maladies parfois incurables. Mm-hmm. Maintenant, l'enfant dans le conflit armé, on n'a pas besoin euh, l'impact parfois il est immédiat, c'est la mort mm-hmm. ou c'est la mutilation de l'enfant. Et maintenant, l'impact ou l'ensemble de ces impacts, ce que ça peut donner sur l'économie, ben, c'est tout simplement de comparer nos pays pauvres mm-hmm. aux autres pays où les enfants ont été protégés. C'est tout. C'est de savoir que alors, oui, oui. Alors, dites-nous comment euh, vous menez la lutte, vous, au niveau de votre ONG, pour mettre fin à cette pratique ici au Niger Bon, vous savez, le premier aspect de notre lutte, c'est la sensibilisation, c'est de parler du problème, mm. c'est d'expliquer ce qui existe en matière euh, d'organisation de la communauté internationale, que ce soit ces conventions, euh, que ce soit les différents textes qui sont pris euh, à travers des protocoles, tout ce qui accompagne de manière juridique la question. Parce qu'un engagement international, il s'impose à l'État, ça s'impose au Niger. L'inspecteur l'a dit tout à l'heure. Mhm. C'est l'engagement international qui a fait que la Convention sur les droits de l'enfant et les conventions 182 et 138, le Niger a fait, euh, a mis ça dans son corps, dans son corpus mhm. euh, juridique pour que le Niger puisse prendre des dispositions. Mhm. Tout ça doit se, traduire en termes de services techniques, en termes de, euh, de dispositifs institutionnels, en termes d'infrastructures qui doivent protéger les enfants en dehors de cette sensibilisation que nous faisons, nous agissons sur le terrain. Par exemple, euh, en 2006, nous, sommes, euh, nous avons passé deux ans au niveau de Mbanga. Mbanga, c'est où Mbanga, c'est dans la zone orifère, qui nous a permis d'agir sur les parents, d'agir sur les enfants eux-mêmes, Puisqu'il y a des enfants qui viennent sans leurs parents. Mm. De manière volontaire, un enfant qui a 12 ans, qui quitte son... puisqu'il a eu l'information que quelque part, on peut trouver la richesse. Vous avez bien vu la déferlante <laughs> euh, quand il y a eu ces informations d'existence de l'or, quelque part. Donc, c'est la même chose. Nous, on fait en sorte que ces enfants évitent de rentrer dans les trous. ils évitent de concasser les pierres qui peuvent mhm. euh, produire la poussière qui va les tuer demain. Mhm. Et est-ce que vous pensez que depuis que vous avez commencé à mener cette lutte, euh, elle apporte ses fruits ben écoutez, est-ce qu'il y a euh, eu un changement de mentalité Ça dépend de l'angle d'observation. On mhm. a quand même eu euh, aujourd'hui à observer des enfants que nous avons par exemple retirés en 2001 de l'abattoir de Niamey, qui ont leur business. Peut-être qu'on ne les aurait pas retirés, ils seraient, euh, je dirais, morts ou dans une situation mhm. difficile physiquement, moralement ou autre. Mhm. Bon, c'est, ça demanderait beaucoup d'analyse pour dire exactement, mais on pense que nous faisons du bien en agissant pour que les enfants soient protégés, en agissant pour que les enfants qui sont dans des situations difficiles soient retirés, mm-hmm. en faisant en sorte que les enfants ne soient pas euh, livrés à la prostitution, mm-hmm. et de faire en sorte aussi que nos plaidoyers permettent à l'État d'agir mm-hmm. pour recruter, pour faire recruter, créer un environnement économique qui permettrait ou qui permet aux, aux parents de trouver de quoi faire. Est-ce que donc vous avez des, actions de réinsertion de la société pour ces enfants Mais absolument, puisqu'un un enfant qu'on retire d'un mhm. théâtre mhm. Euh, d'opérations malsaines, par exemple au niveau de l'abattoir de Niamey où l'enfant part travailler à 3 heures du matin, mhm. ou au niveau des sites aurifères où l'enfant est introduit dans des trous de 20-30 mètres, euh, où on lui remet en tout cas des pierres pour concasser, euh, nous pensons que nos actions ont permis de de stopper ça. Mhm. De stopper ça au niveau de ceux qui les font travailler, de stopper ça aussi au niveau des enfants mhm. et de stopper ça au niveau de ceux qui sont censés agir qui ne font rien. Alors, Monsieur Beni Aliman, au niveau de votre euh, ministère, à part euh, les sanctions, ou bien qu'on sait que vous dites, euh, vous avez un peu expliqué que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas eu encore à enregistrer des cas de travail d'enfants. Est-ce que ces sanctions, vous pensez que ces sanctions sont bien appliquées ah, Bien sûr, madame, puisque mm. c'est les sanctions, elles sont faites, euh, en fait, c'est prévu pour être appliqué, sauf mm. si euh, le cas ne se, ne se présente pas. Mm. mais tout ce puisqu'on travaille étroitement avec les, les, ONG, mm. en fait, on fait, on élabore des, des programmes, des programmes euh, de lutte contre, donc ces fléaux-là, auxquels on associe tous les, les autres ministères que le ministère de la, de la protection de la femme, de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, euh, les ONG, nous, on conçoit des projets, on conçoit des programmes qui sont exécutés par les ONG, puisque ce n'est pas le ministère lui-même qui fait, euh, qui exécute. Mhm. Donc, on conçoit les projets, les programmes, et puis on fait intervenir les ONG qui sont en contact direct avec, euh, avec ses enfants, euh, avec la population. Mhm. Donc, c'est essentiellement euh, vers ça là qu'il faut qu'il faut tendre. Mhm. Parce que comme je vous disais, c'est vrai qu'il faut la sanction est dissuasive, il faut mhm. toujours la, prévoir, mais elle ne suffit pas. Parce que si aujourd'hui les gens qui exploitent, parce que vous savez pourquoi, je voulais revenir un peu sur pourquoi les, gens se réfèrent aux, enfants. les enfants c'est des gens qui ne sont pas, qui ne, qui coûtent pas cher à l'entreprise. Mhm. C'est des gens qui ne, qui ne réclament pas. Et c'est des gens qui sont habiles. Dans certaines situations, ils sont habiles, ils, sont, c'est pour ça qu'ils sont utilisés. Et ils procurent euh, euh, des richesses mhm. à ceux qui les utilisent. Donc, si vous dites, bon, vous prenez un enfant, euh, vous les sanctionnez, vous prenez un employeur, vous le sanctionnez, vous dites, il va payer 1 million, 2 millions, 3 millions mais vous pouvez, c'est fini. Mais mhm. il va continuer, il va prendre un autre le Dans tous les cas, il a accumulé de quoi payer sa là, il paye. Mais la, meilleure façon, c'est de l'amener mhm. à le faire comprendre qu'il ne doit pas faire ça. Mhm. Parce qu'en mettant l'enfant dans cette situation, il compromet euh, son, avenir, son avenir, mais il comprend l'avenir du pays parce que c'est lui seul qui a son gain. Donc, en fait, ce n'est pas. Euh, dans l'avenir, on risque de ne pas avoir, en tout cas, la relève. Parce mhm. que si les gens ne vont pas à l'école, donc euh, la relève pas, pas Alors, monsieur, monsieur Ousmane Amadou, dites-nous au niveau de votre euh, ministère euh, de la protection de l'enfant, quelles sont les actions que vous menez pour mettre fin vraiment à cette pratique ici au Niger Merci, mademoiselle Nafisa. Nous, au niveau du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, nous avons une politique globale de protection des enfants de manière générale, mm. dans laquelle les enfants en situation de travail se retrouvent. Mm. Et cette politique-là, nous avons conçu un document cadre de protection de l'enfant en 2011. Et nous avons également une politique euh, nationale du développement intégré du jeune enfant mm. que nous sommes en train de vouloir réviser. Il y a des réformes aussi au niveau du ministère que nous sommes en train de faire pour essayer de prendre en compte l'évolution. Nous avons d'autres des situations qui sont venues s'ajouter auxquelles on n'a pas prévu mm-hmm. et il fallait faire des ouvertures. Quand je prends l'exemple de la région de Difa, c'est une région particulière avec les événements qui se passent autour de nous. Mm-hmm. On était obligé de revoir notre politique pour une meilleure protection quand on sait que beaucoup d'enfants se retrouvent dans ces situations-là mm-hmm. et ils sont vraiment exploités. Ils subissent beaucoup de situations face auxquelles l'État ne peut rester sans réagir. Et donc, un plan d'action aussi que nous avons, mhm. qui est là. Et qu'est-ce que nous faisons par rapport à ces enfants qui sont euh, au niveau des, camps des réfugiés, qui sont enrôlés Si je prends l'exemple de, la, de Boko, Haram. il y a beaucoup d'enfants qui se sont retrouvés, des enfants soldats, qui se sont retrouvés dans, la, dans, le camp de Boko Haram. Mhm. Et le ministère, avec l'appui de ses partenaires, dont l'UNICEF, et d'autres ministères sectoriels, le ministère de la Justice, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, on a créé un comité. Mm. Et nous sommes dit que ces enfants-là qui sont en prison, leur place n'est pas là-bas. Il faut les soustraire des prisons. Mm. Et nous sommes en train de mettre en place, on a créé ce qu'on appelle les CTO, les mm. comités techniques de, transit et d'orientation de, de, ces enfants-là. Mhm. On les sort de prison, on les prépare. Il y a des maisons qu'on a On a quatre centres ici qu'on a créés à Niamey. Mhm. Mhm. On les met dans ces centres-là, on les fait un toilettage. Ils viennent de loin. Il faut psychologiquement donc leur faire un lavage, de cerveau, leur apprendre des métiers et préparer leur réinsertion dans leur milieu, et avec des kits. Alors, pour les euh, enfants qui travaillent, nous sommes aussi en train de réfléchir par rapport au travail des enfants. Nous voulons même organiser, nous sommes en train de d'organiser un forum national sur la protection de l'enfant où mm. tous ces acteurs-là, les ONG comme il l'a dit, les différents ministères sectoriels, vont se retrouver ensemble pour voir mm. quelle réponse, quelle stratégie adopter. Et la complexité, c'est vraiment la situation sociale. Nous sommes dans un contexte social particulier mm-hmm. où vraiment avec l'UNICEF, nous avons compris que pour mieux prendre en, charge ces problèmes-là, il faut une approche communautaire. Mm. Alors oui, effectivement, rapidement, en un mot, qu'est-ce qui doit être fait pour mettre fin à ce fléau ici au Niger, messieurs Ce qui doit être fait, à mon avis, mhm. et, mademoiselle, c'est vraiment d'impliquer les communautés à la base. Mhm. Quoi qu'on fasse, aucune loi, aucune disposition juridique ne peut mettre fin à ces. La meilleure manière de prendre en charge ces questions-là, c'est d'associer les communautés à la base d'associer les acteurs clés. Les acteurs clés, c'est les leaders communautaires, les chefs traditionnels, les religieux, les parents eux-mêmes, les conscientiser, leur faire comprendre que ce que leurs enfants leur apporteraient plus mhm. tard, en les mettant à l'école, en les gardant à l'école, n'est même pas à comparer avec les, le quotidien. C'est vrai, il y a la préoccupation du quotidien qui est là, mhm. mais avec la sensibilisation, je pense qu'on peut y arriver. Je me retourne vers vous, Monsieur Benia, en un mot pour finir. Qu'est-ce qui doit être fait pour euh, venir à bout de ce problème ici au oui, en plus de, en plus de ce que vient de dire le DG, hein, mhm. il faut euh, chercher à améliorer la situation économique mhm. du pays, des parents, parce que tant que les parents sont, vont rester dans cette situation de, de pauvreté, eh, l'État travail des enfants ne va pas finir. Mhm. Puisque c'est réellement un problème de pauvreté. Mhm. Mhm. Donc, euh, il faut euh, mettre à disposition des programmes de développement qui vont permettre, en tout cas, au-delà donc de la sensibilisation des, des, leaders, des parents, de tout ce qu'il faut qu'ils soient à mesure de se prendre en charge eux-mêmes, afin de laisser les, les enfants aller à l'école. C'est ça. Alors, Mahmoudou Moussa, je finis avec vous. La même question, qu'est-ce qui doit être euh, fait pour, pour mettre fin à cette question du travail des enfants ici au Niger Bon, je crois qu'au prime abord, l'État doit s'organiser mhm. ou se réorganiser. Parce que la problématique du travail des enfants euh, bénéficie, entre griffes, d'une confusion dans les rôles euh, que ce soit les différents ministères techniques, que ce soit les ONG, je crois qu'il y a une une nécessité de réorganiser tout le mécanisme, mhm. de faire en sorte qu'il y ait une clarification des rôles, une certaine euh, visibilité de ce qu'on peut faire. Et à partir de cette réorganisation, des plans peuvent être mis en place, en mhm. route. Mhm. Et tant qu'on n'est pas organisé, on va travailler, on va euh, s'entrelacer et finalement on va toujours avoir le même résultat. Le deuxième aspect, il faudrait que les familles, il faudrait que l'économie soit réorganisée il faudrait que l'économie soit réorganisée de manière à ce que les parents aient de l'emploi. Mhm. Et il faudrait que l'éducation communautaire soit renforcée pour que les gens comprennent que l'enfant ne doit pas être mis à l'école. Parce que parfois, vous pouvez avoir l'école à côté, mais les parents, continuent du fait que, bon, on ne se préoccupe pas beaucoup, les enfants sont délaissés. Donc, il faudrait qu'à ce niveau, on mhm. mette l'accent. OK. Alors, chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangou, c'est la fin du forum du Studio Kalangou. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités qui ont fait le déplacement. Monsieur Ousmane Amadou, directeur général de la protection de l'enfant au ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Merci DG d'avoir fait le déplacement. Merci également à Monsieur Binia Liman, inspecteur général des services au ministère de l'Emploi. Merci à vous. Merci. Et merci également à M. Mahamadou Moussa. Il est le coordinateur de l'association pour la lutte contre le travail des enfants du Niger. Merci d'être venu. Merci. à vous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Prochain rendez-vous demain à 18h15. Au revoir.